studio Kalangu, Balkan tous à la fada. Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission hebdomadaire de la jeunesse nigérienne Tous à la Fada. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment préparer les examens de fin d'année, notamment le bac et le BPC. Au Niger, cette année, les examens du brevet d'études du premier cycle BPC sont fixés pour le 25 juin. Quant aux examens du baccalauréat, c'est le 10 juillet 2019. Donc bientôt le début euh, des épreuves et on le sait, cette période est synonyme de stress, d'intenses travaux et même de surménage chez certains candidats. Donc au menu de ce grand mag, euh, des points de vue d'un encadreur qui est taré de Moussa Moussa wanda ke koya ma wannan ɗaliban zai zo ya muna magana yan conseiller pedagogic shi kuma shine wanda ke kwatanta ma su kuma mushushukan ɗaliban a ya kamata su yi ayyukan su kuma zamu samu ɗaliban da kansu donc nous aurons un candidat de l'école publique et un autre de l'école privée nous avons installé aujourd'hui notre studio mobile au collège Mariama collège Mariama de Babu wanda bai san collège Mariama ba shi yana cikin college na fari a wannan ƙasar tamu tunda yana cikin na fari wanda aka san da aikin su an yarda avec kuma Donc, euh, avec nous, nous avons comme invité M. Benoît XVI. Il est encadreur au Collège Mariama. Bonjour, M. Benoît. Nous avons également El Haj Mahamadou. Il est conseiller pédagogique. Nous avons avec nous Gado Amadi Pierre. Il est élève en terminale. Il est un candidat au Collège Mariama. Et Idrissa Alio, il est aussi candidat au lycée Issa Korombe. Bonjour à vous. Donc, avant de donner la parole à nos invités, écoutons ce micro-trottoir de Tarnan Ahmed. Des candidats nous disent ici comment ils s'organisent pour affronter les épreuves. Bon, les examens de fin d'année, pour le moment, je dirais que ça se passe bien parce que nous entamons de faire des exercices de groupe. D'ailleurs, nous avons même commencé à la descente des cours, nous passons la journée dans l'établissement pour faire des exercices sur, des différentes matières telles que la mathématique, la physique, chimie. Et la nuit, c'est révisé pour les matières littéraires. Vous savez, les matières littéraires aussi ne sont pas à négliger. Voilà, maintenant tu peux me dire euh, euh, qu'est-ce qui t'inquiète Je ne dirais pas que j'ai une grande inquiétude, c'est seulement le stress des bacs. Comme c'est ma première fois, je ne sais pas la manière dont ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais pour combattre ce stress-là Bon, je me dis seulement que ça va aller. À chaque fois que je commence à stresser, je commence à désespérer, je me demande si ça va aller, comment seront les résultats à la fin de l'année. Bon, je me dis dès que, bref, tout compte fait, on verra. On verra. Donc maintenant, tu gardes l'espoir que tu auras ton bac avec mention honorable. Mention honorable, c'est trop, mais je garde quand même l'espoir. Et nous avons commencé les préparatifs. Nous comptons affronter dans quelques jours les épreuves du baccalauréat. Inch'Allah, si Dieu le veut. Quelle est votre méthode euh, de préparer ces examens Vous utilisez quelle méthode Bon, les méthodes, ils sont là, ils sont bien connus, ils sont nombreux et Bien sûr, chacun a ses méthodes. Nous aussi, nous avons nos méthodes propres à nous. On est dans le mois du Ramadan. Tout ce qu'il faut faire, c'est de bosser dans la nuit. Et bien, après le Ramadan, même dans la journée, on peut bosser. Il y a des groupes euh, ici, des exercices qu'on a ici. Et on fait des exercices matin et soir. Est-ce qu'il y a des matières aujourd'hui qui vous inquiètent à l'approche du bac Bon, il y a évidemment des matières, mais l'anglais, la langue vivante. Donc, euh, comme euh, nous l'avons entendu dans, ce reportage, il y a également des candidats qui restent euh, pour des travaux de groupe, il y en a qui restent seuls à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Benoît Nous, euh, au Collège Mariaman, il y a des structures qui sont mises en place pour permettre aux élèves d'étudier, de réviser, afin que nous ayons de bons résultats. Donc il y a des professeurs qui sont chargés d'encadrer les élèves qui ont de faibles niveaux. C'est-à-dire on récupère les élèves qui sont un peu faibles pour pouvoir les assister et leur faire des cours de renforcement de niveau, de capacité. Et cela se déroule sur toute la semaine. Cela se fait au niveau des troisièmes comme des terminales. Il y a des professeurs qui sont disponibles, qui sont disposés à tout moment à accompagner les élèves afin que nous puissions avoir de bons résultats lors des examens. Et il y a suffisamment de structures, et la bibliothèque est là, assez fournie, assez garnie. Oui, il y en a qui ont moins de chance. Hein. Alors là, ils, ont, ils, se débrouillent comme ils peuvent pour s'organiser. Donc, euh, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça en tant que candidat euh, En tant que candidat, moi, je dirais que c'est une bonne chose. On doit prendre cela au sérieux pour mieux chercher ce que nous voulons. Euh, je crois que il y a d'autres qui ne prennent pas ça au sérieux, mais nous, les candidats, on doit se mettre en tête que vraiment, il y a de, certains qui n'ont pas eu cette chance et que nous, nous devrons mettre toutes les conditions auprès de nous pour y arriver. Et d'après vous, comment on peut agir à cause de l'albay Wanda su basu samu suna nan ganye a anda za su su samu su su zo su karatun su wasu su tattaru tare da abokan su wasu kuma kai kadai ne kake zamna a gida to a ganin ku me za ku ce buskan wannan abu mu dan makarantar na lakwal muna iya ce wallahi alhamdulillah wanga shekara tunda mun gani zan dauko example na lise isa korombe can vrema muna godiya ma allah muna godiya ma mushanumu da suke nan gaba da karatu can alisha isa korombe paske eh, wanga rana da nike gaya muku muna ma cikin composition ne can lise isa korombe bis program vraiment on mun gani duka abun da ya kamata mu gani mu kandida kakanni mu ce nan ga yi mu yi karatun mu cikin wannan eh, wata na azumi muna nan ga yi profite mun ta lakol muna zamna sai wajen in sharuwa ya kusa sai mu hita eh, muna da group da yawa eh, da muke yi travail de group tsakanin mu makaranta in mun yi bloke sai mu kirawo waɗansu ansanyan tudu su ma suna cin lakololi sai in sharuwa ya kai muna cire su su kama muna nan da mun yi bloke sai su yi muna explike muna gode ma Allah da wannan eh, shirye-shiryen na wannan examen na bac da muke nan gai. Donc d'après vous, c'est mieux de, de se retrouver en groupe avec les, les autres euh, élèves, les camarades de classe, tout ça que de rester seul à la maison. Selon vous, c'est laquelle euh, la meilleure formule Effectivement, ça c'est une bonne idée pour nous parce que nous, allons nous dire qu'il y, a des, il des matières sur lesquelles nous ne sommes pas assez forts. Donc à, travers le travail de groupe avec les camarades, il y a d'autres qui sont forts en, physique. il y a d'autres qui sont forts en philosophie, d'autres qui sont forts en histoire, d'autres qui sont forts en français. Ce qui veut dire que nous allons réunir notre connaissance pour pouvoir développer notre connaissance ensemble. C'est pourquoi nous nous trouvons vraiment le travail de groupe que nous, que nous avons initié à l'école. C'est une bonne chose, mais néanmoins à la maison, chaque fois, nous allons créer toutes les conditions pour nous encadrer, pour nous former nous-mêmes. Parce que rien que le travail de groupe n'est pas suffisant. Une fois à la maison, il faut réviser encore ce que vous avez fait ensemble pour voir vraiment si vous, vous ne pouvez pas rater. Parce que c'est toujours dans le cadre du préparatif des examens. Merci, monsieur euh, Adibi Salio. Je rappelle que vous êtes un candidat au bac euh, du lycée Issa Korombe. Euh, donc, on se retrouve juste après cette pause musicale. Non, non, non, il y a longtemps, on leur a dit On vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des Parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber dix fois, on va se lever onze fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre mère et notre nifa. On compte pas sur papa nous on compte maman. Tous les jours nous on pour avoir notre craya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. la dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est qui compte. Allez la dire que c'est l'arrivée qui compte. Nous on n'est pas pressés. Doucement, doucement, on avance. Maman, compte sur moi pour que j'avance. Tu me dis qu'il y a un Dieu pour les pauvres et c'est sur lui que je dois compter. Mais où sont ces yeux quand on a faim Où sont ces yeux quand on a soif Mais où sont ces yeux, on ne les voit pas. Mais où sont ces yeux, il n'a qu'à science Ma maman, compte sur moi. Oh. Mes frères et sœurs, compte sur moi. Eh. Autour de moi, compte sur moi. Oh. La gorge au sciences. Eh. Dédicace à tous les nyamboros. Ula woyo man, atume jasa man Big up atume da jigeto De la cité PCCA On baisse pas les bras, non, non, non, non On va y arriver, le, le, le On baisse pas les bras, non, non, non, non Tour Collège Mariama, nous avons avec nous des candidats du BPC des candidats du bac. Donc nous vous demandons à vous, les candidats du bac, Monsieur Gado, comment tu te sens à quelques semaines de l'examen Comment tu te sens Le stress, comment tu gères le stress Bon, je vais l'avouer, euh, pour un candidat, quand on se dit on est à quelques pas, à quelques jours de l'examen, quelques semaines, c'est vrai, on doit l'avouer, il y a ce stress qui est en nous. Se dire, qu'est-ce que, est-ce que j'ai vraiment préparé cet examen comme il le faut Est-ce que j'ai pu faire des exercices Est-ce que j'ai pu traiter ces différents euh, sujets qu'il faut vraiment à ce que je puisse admettre à, cet examen euh, Pour moi, je dirais, c'est le cas. Des fois, il y a des stress qui, qui surgissent mon cœur. Donc, je m'y mets à chercher des sujets. Qu'est-ce que je peux chercher pour traiter, pour enfin être prêt pour ce bac vous gérez le stress tant bien que mal. Monsieur Adibis, vous, comment vous gérez le stress ah, le stress, là, ça ne manque jamais. En tant que candidat, du jour au lendemain, à l'approche des examens, il faut se dire on est toujours stressé. Mais nous, avons, nous allons la surmonter. Mais parce que chaque fois, une fois que tu viens, même si le fait de prier, tu penses à l'examen, vraiment, tu vas te sentir vraiment. Il faut aller prendre les cahiers, voir là où tu n'as pas eh, maîtrisé et pour pouvoir chercher à, les maîtriser. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de stress. Le stress là, jusqu'au jour de l'examen, nous allons faire le stress, jusqu'à, jusqu'au résultat. Jusqu'à la délibération, nous serons toujours à stress C'est juste le jour qu'on va délibérer les résultats que tu verras ton sort. C'est en ce moment-là, vraiment, tu peux te soulager une fois à demi mais si tu n'es pas admis aussi vraiment sur autre chose ça dépasse même le stress mm-hmm. monsieur l'encadreur on voudrait savoir à ce niveau vous qui êtes en permanence avec ces candidats d'après vous quelles sont leurs difficultés à ce stade des préparatifs Je pense que normalement les élèves qui suivent régulièrement les cours ne devraient pas avoir de difficultés. Ça dit, ce qu'il leur faut, c'est juste l'encadrement. Vous avez parlé tout, de suite et euh, tout à l'heure du stress, mais c'est de les mettre dans des conditions afin qu'ils ne soient pas trop stressés. Il faudrait qu'ils soient relax, parce que l'examen, ce n'est pas la fin de la vie. Il faudrait qu'ils se disent que, bon, on peut toutefois échouer, mais c'est de savoir reprendre pour pouvoir admettre. Et pour cela, il faut s'y préparer. Il faut étudier méthodiquement. Il ne faut pas laisser les leçons s'accumuler. Vous avez compris Il faut étudier méthodiquement, évoluer, évoluer progressivement dans le programme. Parce que plus les leçons s'accumulent, on n'a pas le temps de les apprendre pour mieux se préparer. Donc il faut de la méthode. Il faut être méthodique. Gérer le stress. et gérer son temps. Et après, c'est bon. Et, après, faire les derniers réglages. Et voir si on est bien partout, si au moins on est moyen partout, pour être sûr d'avoir des notes suffisantes pour permettre l'admission. Mm. C'est la gestion, la bonne gestion <laughs> du programme. D'accord. Vous l'avez entendu Ok. Et personnellement, personnellement toi, qu'est-ce qui te pose le plus problème euh, à ce stade des préparatifs mm-hmm. Comment miner équipe mine ne cije maka cikin wannan shirye-shiryen da kake kana shirin wannan jarabawa mi ya cije maka bisa kan wannan shirye-shiryen naka har yanzu miye baka gane ba akwai abubuwan da baka gane ba akwai abin da kake shin tsoron shi ya baka tsoro a cikin wannan karatun naka to abin da zan cewa lalle gaskiya examen shine wannan ke ba kandida tsoro wannan ya kamata mu haɗi eh yanzu gare ni En ensemble, je dirais que il n'y a pas grand-chose qui, qui me bloque, qui me stresse, qui me donne un sentiment vraiment de peur pour euh, cet examen qui, qui viendra. Parce que, tout d'abord, pour un candidat, comme ça se dit, l'examen se prépare dès la rentrée. Mais quand y a monsieur adibis en tout cas pour un candidat vraiment à l'état actuel à quelques jours des examens on peut se dire qu'on s'est préparé conséquemment pour affronter les épreuves des examens donc pour moi vraiment moi j'ai l'esprit tranquille je n'attends que les, les, les jours J et aller affronter les épreuves mais tout ce que nous souhaitons c'est avoir la chance parce que quelle qu'en soit ta capacité de connaissance que tu as, il faut avoir la chance. Parce que tu peux maîtriser tout. Mais si tu n'as pas la chance, une fois en salle, ça peut tout échapper. Voilà, nous, vraiment, c'est la chance seulement qu'on souhaite. Mais sinon, pour la préparation, on s'est préparé, on attend les jours pour affronter les épreuves. Donc, euh, dans cette émission, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. Donc, l'ambamou itace tamanin sifili shida tamanin da bakwai hamsin da hudu ta whatsapp za ku iya samun duk abubuwan da muke nan gai in kuna da wasu tambayoyi in kuna son ku samu shirin mu cikin salularku kenan kuna iya wannan za ku same mu donc euh, maintenant nous revenons à vous monsieur l'encadreur un problème pour beaucoup de candidats la bête noire des candidats c'est les hors sujet comment les éviter quand on reçoit le sujet il faut bien le lire il faut prendre suffisamment de temps pour le lire et essayer de le comprendre il ne faudrait pas se précipiter sur le sujet et essayer de le comprendre avant de commencer à répondre et faire son brouillon relire le brouillon avant de le mettre au propre. Donc, euh, vous avez un autre conseil précieux de votre encadreur. Écoutons à présent un reportage réalisé par Habib Garba qui s'est intéressé à la contribution des parents qui est aussi importante pour la réussite. Il ne faut pas l'oublier, l'appui, euh, le soutien des parents est important pour réussir. Il y a quelques années au Niger, presque tous les parents pensaient que l'école était celle responsable de la réussite ou de l'échec des études. Aujourd'hui, on sait que la famille a aussi une grande responsabilité. C'est le cas des parents d'Amadou, élève en classe de Terminal D dans un lycée de Niamey. Chaque matin, Amadou reçoit des conseils de la part de ses parents. Chaque matin, quand je vais à l'école, ils vont attirer l'attention, de mettre l'accent sur l'étude ça veut dire à travers la parole de mes parents, là, je avoir le courage de À travers des parents, aussi avoir le courage de mettre l'accent sur Rachida, candidate au brevet d'études du premier cycle, est suivie par son père en mathématiques, une matière maîtrisée par cet homme soucié de la réussite de sa fille. Parce que la moindre des choses qu'il demande là, c'est la mathématique, comment tu es. Tu es fort en maths parce que euh, le papa demande tu es comment dans quelle matière euh, en physique et en maths. On ne demande pas les autres matières. Lui, il est scientifique. Bon, pour bien apprendre, j'apprends la nuit parce que c'est la nuit qu'il y a moins de bruit, il y a le calme. Soit je reste à l'école à une certaine heure, par exemple de 13h à 18h, je suis à l'école pour apprendre maths. À l'approche des examens de fin d'année, les parents de certains candidats mettent le boucher double dans l'accompagnement de leurs enfants afin de les aider à mieux surmonter cette épreuve. Mohamed Barke a dressé un programme pour aider ces enfants à évacuer le stress. Quand l'élève se sent stressé aussi, il peut marcher, il peut faire un peu de sport, tout ça vraiment. c'est moi, c'est ce que je conseille ou changer d'air. À l'heure actuelle, c'est pas facile pour les fonctionnaires hein, qui sortent euh, de 8h jusqu'à 18h de contrôler la fréquentation des, des enfants. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est contre l'utilisation des téléphones. Et oui, l'accompagnement des parents est plus que nécessaire pour ses élèves, surtout à quelques jours de l'examen, car il n'est pas rare de constater des candidats surmenés. Comme je le disais tantôt, nous avons avec nous des candidats qui peuvent aussi nous poser euh, leurs questions ou s'adresser aux conseillers pédagogiques ou à leur encadreur. À vous. Euh, je vois que les examens du BPC approchent à grands pas. Ma question est la suivante. Comment éviter le surménage donc, M. Euh, Monsieur Mahamadou El Amadou, je rappelle que vous êtes conseiller pédagogique. La question de cette jeune candidate euh, au BPC s'adresse à vous. Elle voudrait savoir comment éviter le surménage. Je vous remercie. Comment il faut l'éviter Un candidat, il y a d'abord la semaine de travail, 8 heures jusqu'à normalement, normalement jusqu'à 15 heures, je pense 16 heures. Et après, il y a le travaux du soir qu'il faut faire. Entre ce temps, ces deux moments-là, il faut trouver le moment de se reposer. Se reposer, ça veut dire véritablement quand on a, le, le, cerveau a besoin de dormir, il faut dormir parce que c'est aussi sa nourriture le cerveau. Quand on lui refuse cette nourriture, eh bien, il se fâche et naturellement, il se dérègle. Au lieu que vous puissiez dormir 8 heures, il va complètement vous mettre dans l'insomnie. Ou bien vous vous couchez, juste 30 minutes après, vous êtes déjà éveillé et vous ne pouvez plus vous rendormir. Pourquoi Parce que à un moment donné, vous avez refusé à votre cerveau ce qu'il vous demande. Également, il faut éviter le, le surménage en surdosant le travail. On s'est dit que c'est à l'approche des examens, c'est maintenant qu'il faut tout faire. Or, on a perdu déjà le temps. C'est-à-dire qu'on a eu 36 semaines pour préparer le BPC, mais on ne s'est mis à préparer véritablement le BPC qu'à deux semaines ou trois semaines ou un mois, à l'approche des examens. Donc, déjà, la première précaution, c'est de commencer à préparer l'examen dès le début de l'année. wannan jarba da za a yi tun in wannan shekarar ta fara ya kamata ka fara shirya jarba wannan ba sai wai lokaci ya kai ba ko kama ka ce ba sai lokaci ya kai ba sannan ko kingin sati biyu ma ka ce zaka she ka ɗauki wannan takardunka ka ce ka faɗa musu ka je ka hana kanka kwana ka hana kanka cin abinci kenan kama an kuka ce da sauri sauri ya kamata a fara wannan shirye-shiryen eh, mutum yana iya kiyaye kanshi da hatsarin eh, gurɓatattar kwalluwa in ka ɗauka tun harkon shekara misali yanzu dukanmu vivelo dukan mutum muna wajen sai e, kowa ya iya vivelo har ka kai wani shekaru yau na kai shekara hamsin da bakwai amma har yau vivelo ɗin nan tana cikin kaina yaya aka yi ai ka gani ba wata maji ba ce wato shi ne nake cewa tun farkon eh, shekara in kana tsara aikinka leson in ka ɗauke ta to kakka bari ta kubce maka mai hadda kur'ani mai neman ya hardaci kur'ani masalan in ya ɗauka yau ba ya bari ya kubce mishi dan in kana bari karatun da ka ɗauka yana kubce maka sa'annan sai kayi shekara eh, wata biyu ko uku sai ka komo sai ka gaji ka kamance haka rika tambayi kanka da gale leson na iya ta yau ban iya ta ba saboda mi saboda ka bar lokaci da yawa ya shuɗe tsakanin lokacin da ka koya ta da lokacin da kuma ka komo kake son ka yi tilawarta kenan abin da ake so ga leson in ka rewaye ka har da ce ta to ya zamanto da akai zuwa akai kana tilawarta kana dubawa kana komowa kana nazarinta don saboda ta zamna kenan leson kin harko da ka iya tana iya ta kai ƙarshen shekara tana cikin kanka wadda za ta zauwa ƙaruwa ne za ta yi sama nc da suit ta a zo ƙarshen shekara shine ake ce ma kayi shirin tun da farko ka eh, shirya eh, eh, examen kinka tun da farko na ƙarshe abin da nake so in dan ja su kan shi shine kaman shiga ka sa kanka cikin rudani wato abu ne ba ka son shi lokacin da ya kamata ka shirya shi sai da ya zo ƙarshen shekara sa'annan sai ka ga breve ya shiga cikin ranka sai ka ga kamar cewa ma in baka samu breve ba kamar ƙarshen duniya ce ƙarshen rayuwa ce a gare ka to wannan hatsari ne gaskiya don saboda shi ke ya yi gaugawa sanya mutum cikin gurɓataccen ƙwallowa sai tajir surmenaji nan da nan ne za ka faɗa cikin surmenaji saboda lokacin nan hankalinka duka ka murɗe shi ka maida shi wajen kawai breve kake so yanzu da kake ga ah, in na eshuwe abu kaina na yaya ne in wani kaza wani wane ne ka gani ko a lorke wannan lokacin da ka fara son breve har kake irin waɗanga lissahin lokaci ya kure maka gaskiya tel que l'a dit le conseiller je je vais abonder dans le même sens que lui souvent euh, les candidats priorisent certaines matières en pensant que bon ils pouvaient se rattraper ou se racheter dans une autre matière. Or, à l'examen, tout est aléatoire. Parce qu'un bon élève en matière scientifique peut se retrouver avec une mauvaise note pendant les examens, alors que s'il travaillait réellement les matières littéraires, si c'est un élève de la série scientifique, il peut bien se rattraper en obtenant une bonne note en matière littéraire. Et souvent, c'est le contraire, parce que les enfants n'arrivent pas à travailler dans toutes les matières ils ont souvent tendance à prioriser certaines matières. Oh, c'est très dangereux. Voilà. Très dangereux. Monsieur Gado, tu as entendu euh, les encadreurs. Ça t'est déjà arrivé de prioriser ou à ce niveau, tu as déjà priorisé des matières wadda, wadda daga français français Non non ban yi ba parce que na ça va jouer sur moi aucune matière n'est à négliger à cause de maths à cause de, physique à cause d'arabe d'anglais on a vu plusieurs exemples à travers nos camarades à un point ils échouent je prends l'exemple de maths plusieurs élèves arrivés en classe quand il s'agit d'une matière de maths en général, c'est la mathématique que nous, les élèves littéraires, on néglige. Donc, arrivé à cette matière, il y a beaucoup d'élèves qui sortent. Et pour leçon, ça, comme je dirais, à travers l'exemple de nos camarades, ils ont eu à voir cette leçon que certains camarades ont échoué à cause de maths. Il se peut que tu, tu aies 5 au bac et que tu admettes. Maintenant, au bac, tu gagnes 1. Là, c'est vraiment catastrophe. Donc, nous devrons en prendre compte que nous, les élèves, il n'y a aucune matière qui est à négliger. Il n'y a aucune matière. Orange ne, su mathématiques ne, duka kowanne ya kamata a ce ɗalibi duka kowane irin karatu da aka bashi a ce yayi shi kaka a a'a zan bar wannan tunda na yi karhi a wannan bari in ba wannan karhi bari in yada wannan koko wannan in mushe na cikin class ki ma ban na shiga kenan wannan bai kamata ba. Monsieur Gado, si tu as une petite idée, une astuce à donner à tes camarades candidats Tout d'abord, euh, j'aimerais partir de là à travers une question. Est-ce que pour préparer son examen, comme nous le savons, à travers beaucoup des élèves, il y a ceux qui se basent sur la tricherie. Maintenant, à travers cette tricherie, est-ce que les élèves peuvent arriver à aboutir à leur objectif, arriver à avoir leur examen. Nous le voyons pendant toute l'année, il y a des élèves qui se basent sur la tricherie jusqu'au jour du bac. Et nous le savons, une habitude est, une seconde nature. Cette tricherie, ça va continuer jusqu'au, jusqu'au, dans les salles. Et à travers ça, est-ce que la personne peut arriver à avoir son examen Donc euh, la tricherie est à éviter éviter euh, selon M. Gado. Donc, il euh, faut vraiment compter sur ses efforts. M. Adibis, un dernier conseil à donner Vraiment, nous, les conseils que nous allons donner à nos camarades candidats, vraiment, c'est comme l'avait dit notre conseiller pédagogique et notre euh, surveillant du collège Mariama, c'est vraiment d'être calme et d'être concentré sur les épreuves. Et c'est l'appel que nous lançons à nos camarades, d'être conscients et d'être patients et d'être concentré et de lire et relire pour pouvoir comprendre les sujets, pour pouvoir commencer les épreuves. je zamu kiran da zamu eh, yi ga abokanmu 'yan makaranta ya kamata kowa ya kwatar da hankalin shi eh, saboda examen ba wani abu ne kawai sai comme un devoir de classe que il faut avoir l'esprit calme et affronter les sujets et nous donnons bonne chance à tous nos candidats et du collège jusqu'au lycée. Merci, M. Euh, Monsieur Adibis. Nous tirons petit à petit vers la fin de cette émission, mais avant de clôturer l'émission, nous donnons la place à Olivier qui va nous dire dans sa chronique tout ce qu'il ne fallait pas éviter cette semaine sur les réseaux sociaux. Ça va, Olivier Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup Rabi, merci à nos amis qui nous entourent aussi. Ce soir, euh, je vais vous parler de une date très importante et je vais commencer par le chiffre 28. D'abord 28 euh, pour vous rappeler que le mardi passé, le monde entier a commémoré la journée internationale de la menstruation. Oui, pourquoi ils ont choisi le 28 D'abord parce que euh, le 28e du mois fait penser à la durée moyenne d'un cycle menstruel. Le mois de mai, quant à lui, c'est le cinquième de l'année, c'est-à-dire que le nombre de jours moyens de la durée des règles chez les femmes. Alors, euh, Rabi, tu ne te demandes pas, est-ce qu'il y a nécessité de commémorer cette fête ou pas <laughs> Oui, je me le demande. Hein. Voilà, justement, parce que selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles. Alors, le but de cette journée, c'est justement de rompre le silence et de diffuser l'information pour permettre à la communauté en général et surtout ceux des milieux scolaires, en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. On se demande si au Niger il y a eu une activité qui a été prévue ou pas. Justement, je suis tombé sur les réseaux sociaux euh, sur une campagne organisée par un groupe de jeunes filles et en tout cas, je vous laisse les entendre. Éduquons nos garçons et filles et promouvant sans complexe l'importance d'une bonne hygiène menstruelle. Donc du coup, c'est juste pour vous rappeler que c'est pas une histoire de filles, mais aussi une histoire de garçons. Alors passons ensuite à autre chose à l'intérieur du pays. C'est le président de la délégation euh, de la ville de Maradi qui a émis un arrêté interdisant tout simplement la circulation à certaines heures de la journée, bien sûr, des jeunes filles dans les places publiques. C'est-à-dire qu'entre parenthèses, le phénomène de

Je vais clôturer cette clôture avec trois opportunités à ne pas louper. D'abord, l'Union africaine a ouvert la liste de recrutement des jeunes volontaires, une bonne opportunité de se faire enrôler et travailler pas à l'agence de l'Union africaine du Niger, mais à l'Union africaine même en tant que volontaire, ça aide beaucoup ceux qui sont en quête d'emploi et surtout pour alourdir le CV. D'une côté aussi, il y a l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI qui lance du 23 au 25 juin un programme de formation en informatique. C'est très intéressant et pour nos amis demandeurs d'emploi, vous savez le code, faites le tour des réseaux sociaux, faites le tour des plateformes de demande d'emploi. L'occasion est là. Ah, Je vous laisse sur euh, cette note-là. Olivier pour cette euh, riche chronique. Donc, euh, nous sommes au terme de cette émission depuis le collège Mariama. Collège Mariama de Babon de um, ah, Comment André l'un des plus grands collèges de Niamey wannan tamu ana cité collège mariama avec nous nous avons euh, monsieur benoît 16, il est encadreur au collège Mariama. Monsieur Mahamadou Elhaj Amadou, conseiller pédagogique, était également avec nous. Nous avions également des candidats hein, du collège Mariama et monsieur Adibis du, du lycée Issa Korombé. Merci à tous nos invités. À très bientôt dans tous à la FADA. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54. À très bientôt. Oh Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme Jeunes du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.